élection bi da ko mbëbatoon pour ñu and ñep bok ci liste unique de l'opposition mu xamne mu nek li xamantene mom la askan wi bëggoon pour que ñu am majorité au parlement mais bima engagé man parti bi au niveau de la France euh, Ousmane Sonko d'accord ci woon et donc lolo mo indi suñu taxali ko ma genn ci passé mais tay ma ngi rappeler que ne lancement le rassemblement des patriotes du Sénégal am na ñoo xam ne démb la ñu génn ci parti bi am na ñoo xam ne yaa un mois am na ñoo xam ne y deux mois maa ngi leen doon wax sànq ci njëlbeen bi bëggumu woon def format boo xam ne damay woo yeneen patriotes yi nga xamante ne génn nañ ci parti bi bëggoon intervenir te teewuñu fi mais performant bi permettre ñu ko woon mais di ngeen gis ci fan yu neew mais yaakaar naa sax am na ñoo xam ne yéen a xam nga journaliste da ngeen xarañ xam ngeen ne amna patriote yu bëri ñu nekkoon Pastef aujourd'hui ci réseaux sociaux bi ñom ñoo gëna féroce si lii di xeex li nga xam dérive bi ak mutation bi nga xam parti bi def 2023 nga lancé ce mouvement lam mo lam mo waral qu'est-ce qui s'est réellement passé

décider personnellement de soutenir la candidature d'Idrissa Seck mais c'est-à-dire c'est-à-dire parti bi PASTEF la mutation du parti PASTEF pour nous, nous avons créé Nous hein, versé dans la violence et je veux rappeler quelque chose aujourd'hui le constat le constat bi Ousmane Sonko se sert de la politique pour régler ses problèmes personnels parce que yow yi nga def bërëbu massage des nga dem goudi du won réunion politique bi ngay un euh, ministre du woon euh, euh, je sais pas ban animosité mais c'était pas je sais pas mais on peut pas aujourd'hui le constat est évident qu'il se sert de la politique comme bouclier et de la jeunesse et des gens ont aujourd'hui pour nous, lu mu def jusqu'à maintenant man nous mu pas def intéressant mais léegi nag daf ma intéressé parce que Sénégal man si doomu Sénégal laa comme yéen ni ngeen nekk doomu Sénégal est-ce que yéen war ngeen nangu ñuy taal Sénégal si ay tappale si loo xam ne teguwul si dëgg teguwul si yoon ñëpp xam nañ ne tey li xew ku ñu woo tribunal yéen ku ñu fi woo tribunal est-ce que di nga woote pour ñu gunge la wala nga ne ñëw leen xeex leen même même bu ñu amoon doole même bu amoon doole bi parce que le fort c'est celui le fort c'est celui qui va dire dem leen toog seen kër man nañu tuumaal dinaa dem tribunal ma indi sama preuve woné né li ñuy wax dara du ci dëgg et barké alcorane karim ak koor gi ma nekk ni su demee mom tribunal aussi bien sur l'affaire affaire que sur l'affaire affaire mu indi ba ay preuve ñu dëgg bokk na ci sénégalais yi wacc tari bi xex pour ñu bañ ko tëj wala ñu bañ ko tek daan parce que lool ngeen créer sen mouvement Amalka lan mo nar a nekk seen taxawaay c'est opposition bi ngeen di bokk wala da ngeen di dem ci mouvement présidentiel. présidentielle. waaw comme ni ma ko waxee si njëlbeen bi xam nga ñun ñu ngi door a créer suñu mouvement booy créer mouvement nag dafa am loo xam ne c'est des fondamentaux politiques c'est des b.a.-ba di nga dem c'est une yi aussi di nga déglu di nga confronter des idées di nga xool aussi lan vraiment la réew mi soxla bala aussi ngay jël sa yenn résolution naturellement nous euh, ngi dem ci élection qui a une importance 2024 capitale parce que c'est une transition pour le Sénégal parce que le Sénégal va être un pays producteur de gaz de pétrole lu am solo le ci réew mi looloo tax ñun ñëpp ñu nekk fii ak sénégalais bu fu mu waay muntu nekk loolu nga xam suñu mam yi ñoko liggéey bu mu meññ ci réew mi waruñu d'accord ñukay taal yeneen réew ñew jëriñoo parce que lolu mo moom mooy mbëbëtu ñenn ñi indi fa ay samba bo yo ne dañuy taaroo bi parce que man en tant que acteur politique amna ay information yo xam ne ko wax ci kaw du ko wax fi mais jàpp leen ne fi ngeen taxaw ni le Sénégal est en danger donc pour le Sénégal nek en danger ku nek ci ñun ci kërëm ci koñam

maa combattre le régime du président Macky Sall. donc moi euh, j'ai aussi je dama en tant que coordinateur du rassemblement des patriotes du des patriotes du Sénégal mais pas en tant que coordinateur. de l'opposition sénégalaise en France parce que a ñoo ne mais pour euh, wax au nom du Front pour le départ de Macky je suis venu en tant que membre fondateur de RPS le rassemblement des patriotes du Sénégal pour lancer ce nouveau mouvement et tamit ngeen japp sénégalais di ngeen wara nangou que opposition dafa am ay opposition amna tay ji jii ñoo xam ñu ngi ci opposition bi mënu ñu d'accord ak li Ousmane Sonko di def man bok na ci xeyna man ma ma maa gën a ñeme ñi pour mën taxaw wax ko parce que ñeme na dëgg gi mais amna na ñoo xam dañ koy wax ci souf mais man dama koy wax ci kaw d'autant plus que dama am responsabilité parce que parti Pastef dama bok ci ñi ko taxawal. Les moments euh, qui nous interpellent en tant que Sénégalais, nous avons l'impérieuse nécessité de remettre le sens du patriotisme en avant. Mais le vrai patriotisme, pas le patriotisme, qui, euh, pas le pseudo-patriote qui veut brûler son pays, casser son pays, euh, sur la base d'éléments vraiment factices. Ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça, nous, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a énormément d'anciens responsables qui ne se retrouvent plus dans PASSEF et qui veulent euh, animer ce mouvement avec les idéaux qui nous ont poussés à, euh, travailler autour de PASSEF en 2014 pour faire de ce mouvement un grand parti politique. Donc, et vous, vous pensez que Ousmane se sert de la jeunesse pour euh, arriver au sommet Oui, c'est évident. Vous savez, la jeunesse, moi j'ai été comme vous, on a tous été jeunes. Moi, j'ai grandi sous l'ère du SOPI. Et on était tout jeune et un peu à, une propension à être un peu rebelle, à être un peu têtu. Mais il ne faut pas non plus, en tant qu'adulte, qu'on utilise cette naïveté. Parce que les jeunes, on euh, sont, ils absorbent. Ils absorbent. Les premières phrases que vous leur dites, ils vont l'absorber. Mais si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui manipule, comme le fait Ousmane Sonko, et à travers ses VAR d'ailleurs, parce que je pense que c'est l'homme politique sénégalais qui a le plus de VAR pour une si courte carrière politique. Il, peut, il il peut s'enorgueillir d'être celui qui a le plus de VAR dans la scène politique. Et donc, c'est notre devoir de ne pas entraîner les jeunes dans vraiment une pente dangereuse. Il ne faut pas se servir des jeunes comme bouclier politique. Abdoulaye disait, je ne marcherai jamais sur des cadavres pour aller au palais il faut se souvenir de ça et c'est important de lui rendre hommage parce qu'il avait une force qui pouvait déstabiliser à chaque instant le Sénégal, mais il ne s'est jamais servi de cette force pour déstabiliser le Sénégal. Idriss Seck, en 2019, je vous ai dit que j'étais le coordinateur du, de la campagne d'Idriss Seck euh, en 2019 en France. Il pouvait aussi appeler à la violence, contester les résultats, il ne l'a pas fait. Voilà ce que ça doit être la politique. Là, on ne fait pas la politique pour brûler son pays. La politique, on fait la politique pour donner un avenir meilleur, un idéal, des meilleures conditions de vie aux, populations, un meilleur avenir. Mais si, comme avenir, vous leur donnez que de se réveiller le lendemain matin, de voir leur étal brûlé, de voir leur, boutique pillée, de voir des femmes, des mères de famille qui, ont perdu leurs enfants, sur des choses vraiment qui, qui, qui relèvent d'énormes mensonges, d'énormités. Comment quelqu'un qui se rend dans un salon de massage, et dit qu'on l'a comploté alors moi, la question que je me pose souvent, c'est je veux qu'ils me disent, Ousmane Sonko, à quel moment il a, le complot a eu lieu À quel moment le complot a eu lieu Est-ce que c'est en partant de chez toi Est-ce que c'est euh, au niveau de, de Sud Parce que j'ai du mal à comprendre. Bon sang, on ne l'a pas quand même tiré par les cheveux pour le mettre dans son véhicule, pour l'amener dans un endroit où vraiment tout le monde sait que ce n'est pas des massages thérapeutiques qui se sont... dans l'opposition et vous êtes de la mouvance présidentielle Mais je vous ai dit que nous, on vient de lancer notre mouvement. Moi, je suis quand même le coordinateur du front de l'opposition. Donc, je suis un opposant. Mais je ne suis plus un opposant nihiliste. C'est pour ça, le monsieur, je lui disais, je lui répondais tout le temps, que si j'ai décidé depuis 2019 de me mettre un peu en retrait, parce qu'aussi, on doit réfléchir. Nous, là, on a quel intérêt que Macky Sall échoue ou comme je disais tantôt, rentre dans, fasse rentrer dans le, le Sénégal dans, dans un trou profond, que le Sénégal ne puisse pas en sortir on n'a aucun intérêt. On est des opposants, on doit être des opposants républicains. On doit critiquer quand on doit critiquer, mais aussi on doit reconnaître qu'il y a des choses qui sont, qui sont faites en termes de réalisation. Moi, je faisais partie de ceux qui décriaient le terre. Ceux qui décriaient le terre, je faisais partie de ceux qui décriaient le terre. Mais j'ai vu que quand même le terre, aujourd'hui, parce qu'il y, y, a des investissements, on ne les fait pas pour la rentabilité en tant que telle. Mais on doit quand même avoir un confort, on doit quand même désengorger la situation. J'ai un ami qui me disait, il vient me voir, d'ailleurs il est dans la salle, il est de Tcharoy. Il me disait, en période de ramadan, il mettait deux heures pour aller à Tcharoy. Le, moment de, la rupture du jeûne le trouvait dans les transports. Maintenant, il vient ici, il quitte la gare de Dakar, 15 minutes après, il est à Tcharoy. Mais quand même, c'est un progrès. Il ne faut pas qu'on soit nihiliste, c'est un progrès. Et comme je disais, ce n'est pas qu'un investissement, il ne faut pas juste le voir à l'aune de sa rentabilité, il faut le voir aussi par rapport au confort des populations. Les Sénégalais ont droit d'avoir des terres, des métros, des, belles voitures, des emplois. Voilà, un avenir meilleur.